a pas de Bon, je m'appelle Mbak Kembeng. Je m'appelle Mbak Kembeng, tête de liste de la coalition Dundul à Guédiawaï. Oui, on a noté beaucoup de choses aujourd'hui parce que j'ai constaté, on m'a appelé, nous avons déposé la liste de nos siégeants à la sous-préfecture de Sam Notaire. Nous sommes le premier à déposer. Mais on a constaté que dans les listes qui se trouvent dans les bureaux de vote, pour les siégeants, hein, nos siégeants, hein, leur nom n'existe pas. Depuis ce matin, ils sont arrivés à 7h30, mais ne, leur nom ne figure pas là-bas. Bon, j'ai constaté ça et nous sommes les premiers. Parce que qui gagne deux communes d'arrondissement gagne les élections législatives ici à Guédiawaye. On est majoritaire à Golfe Sud et à Sam Notaire. Voilà la liste et la décharge. On l'avait déposée le 22 octobre 2024 à la sous-préfecture de Sam Notaire. Voilà le cassé euh, du, SEDA. Oui, mais c'est comment encore C'est beaucoup de contestations. Parce qu'ils savent bien que nous aurons gagné la commune de Golfe Sud et la commune de Sam Notaire. Pour... Mais quel est le problème pour ça ah, oui, bon, j'ai appelé les, militants de la coalition pour qu'on arrête les votes. Pour qu'on arrête les votes jusqu'à qu'on règle ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il, est opportun de pouvoir régler ça Mais il est opportun. Il est opportun parce que ces élections-là, qui gagne avec un, qui, qui, aura un point de plus, mais tu vas gagner les élections. Et nous sommes le majoritaire ici. Il y a beaucoup de sabotage. Il y a beaucoup de sabotage qu'on ne peut pas exprimer. Qu'on ne peut pas exprimer. Parce qu'on a fait une très bonne campagne ici à Guédiouaï. Mais quel est le problème pour ça Quel est le problème euh, Aujourd'hui, vos, hein, ne sont pas dans les salles de classe Non, non, ces gens ne sont pas dans les salles de classe parce que leur nom ne figure pas sur la liste. Et qu'est-ce que le Bon, ils vont dire, ils ont dit, ils vont appeler le préfet, ainsi de suite, ainsi de patati patata. Mais euh, euh, c'est en élection. Hein. Tout ce qu'on ne peut pas régler aujourd'hui, on ne le réglera jamais. Jamais. On bourre les centres de vote jusqu'à preuve du contraire. Parce que ça, ce n'est pas logique. C'est de la fraude. C'est de la manipulation. Parce que nous sommes les premiers à déposer. On, on a déposé le 22 octobre 2024. Voilà, voilà la signature de la sous-préfecture. Voilà la signature et le, cachet du SEDA. Voilà la liste des sièges. Voilà la liste des sièges. Voilà. Voilà, vous pouvez vérifier ça. C'est seulement dans ce centre ou partout dans les autres centres c'est partout dans les autres centres. C'est partout dans les autres centres. Parce qu'on a fait le constat. On a sillonné les centres de vote de Guédiawaye. On a sillonné les centres de vote. mais on a tout fait. Pour être le premier à déposer, ce n'est pas facile. Et on a fait une très bonne campagne. Mais quel est le problème Est-ce que vous avez interprété le préfet par rapport à ces situations mais, mais on ne peut pas interpréter le préfet, on l'a appelé, mais ça sonne dans le vide. Ah, mais alors Assalamu alaikum, mbok mbok Sénégal mbok suis ak euh, ñoo ngi wax ak euh, la presse nationale et internationale man suis ngi Cheikh tête de liste de la coalition Dundu ici à Guédiawaye mais nous avons déposé suñuy siégeant le 22 octobre 2024 Nous avons cassé sous préfecture avons cassé SEDA mais nous avons remarqué suñuy siégeant dañoo à 7h30 du matin nous ci bureau de vote Nous ñu ni seen i tur liste de vote mais quel est le problème pourquoi Nous sommes le premier à déposer fi à Guédiawaye nous sommes le premier à déposer fi à Guédiouaï. sabotage la wala parce que xam nañ ni Guédiawaye qui gagne les deux communes d'arrondissement, mais gagné nga te wóor les leen ni campagne bi ñu def dañuy gagné Golf Sud dañuy gagné Sam Notaire dañuy gagné Wakhinane Nimzat. loolu moo tax ñu def sabotage bi ñun pas dañoo woo suñuy militants pour bourrer les bureaux de vote parce que warta jàll ñoom seen i siège nekk fi ñu njëkk leen déposer, déposé ba pare ñun suñuy siège ñu am kase am lépp ba pare mënuñoo nekk ci bureau de vote

Nous dañuy bañ ba il faut nous rétablir ce problème là on arrête le vote. c'est ça. man Cheikh Mbacké tête de liste de la coalition Dundu ici à Guédiawaye merci beaucoup